تنتي بليكي خمقو صخلي لي راو Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV. Voici les titres de ce journal. Meurtre dans Sénégalais du nom de Djibril Bar aux États-Unis, un cambriolage qui a viré au drame. Autre Africa demande à l'État de mieux assister les Sénégalais de l'extérieur. Son président souhaite que les consulats soient dotés de plus de moyens. Cité millionnaire, la famille Canet expropriée ses membres d'hommes à la belle étoile. Ils accusent la famille de leur défunt vendeur du terrain et un avocat d'être à l'origine de leur désarroi. La famille Canet interpelle les autorités étatiques. Encore un soutien de taille pour le président Macky Sall pour la présidentielle de 2019. Le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme s'engage pour sa réélection dès le premier tour. Le rappel est composé d'anciens membres de la famille libérale. Le secteur de la publicité au Sénégal dans un désordre total, les causes sont multiples, situation due en grande partie par l'application de l'acte 3 de la décentralisation. Les acteurs parlent d'en laisser-aller et plaident pour une revue de la loi 83. Et nous ouvrons ce journal par la mort d'un Sénégalais tué par balle ce lundi aux États-Unis, un crime qui ne serait pas d'origine raciste, mais qui suscite tout de même de vives réactions. L'organisation Otra Africa appelle à plus de sensibilisation et de protection pour les Sénégalais de l'extérieur. Pour son président, l'État n'en fait pas assez. Il souhaite que les consulats soient dotés de plus de moyens d'assistance. Les détails avec Elodie Guillot. Le drame s'est produit hier dans le Tennessee aux États-Unis. Djibril Ba, ressortissant sénégalais, a été tué par balle par deux ravisseurs qui tentaient de le cambrioler. Un acte condamné par l'association Autre Africa, même si d'apparence il ne s'agit pas d'un crime raciste. Encore une fois de plus, c'est déplorable que quand euh, on entend un compatriote qui était parti chercher une vie meilleure se retrouve assassiné dans certaines circonstances, euh, parfois qui n'est parfois raciste, mais ce cas-ci n'est pas un cas raciste, un cas vraiment normal qui pouvait se retrouver sur n'importe quelle personne. Malheureusement, cette fois-ci, c'est encore tombé sur un Sénégalais qui est déplorable. Euh. Pour Souleymane Diallo, président d'Autra Africa, l'État doit encore plus sensibiliser. Ce sont les ONG et plus ou moins les médias qui, font plus ce travail. Alors que nous, à notre niveau, nous pensons que l'État devrait faire plus ce qui s'est fait. Hein? Aujourd'hui, je sais qu'il y a un fonds de rapatriement des Sénégalais de l'extérieur. Moi, j'attends plus. Euh, j'attends au niveau des consulats que, les consulats soient dotés de moyens d'assistance directe, euh, de secours et d'assistance de nos compatriotes qui sont en difficulté à l'extérieur et de doter également ces consulats et les ambassades euh, de services d'assistance juridique. Au mois de mars, le chef de l'État avait affirmé sa détermination à protéger les Sénégalais de l'extérieur. Mais depuis, plusieurs meurtres ont eu lieu. Espagne, Italie, Brésil, États-Unis. De plus, énormément de Sénégalais continuent d'emprunter la voie illégale pour partir. Cité millionnaire, la série d'expulsions se poursuit. La dernière victime, la famille Tchané. Les membres de la famille sont dans le désarroi total. Ils sont aujourd'hui sans maison. Ils indexent la famille de leurs défunts, vendeurs du terrain et un avocat. La famille de Tchané, la famille appelle les autorités à intervenir en leur faveur et ne compte pas renoncer à leur combat. Mohamed Diallo leur a rendu visite ce matin. Ambiance de deuil à la cité millionnaire. Nous nous excusons pour cet élément. Peut-être bien que nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Intéressons-nous au remous au Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Dakar. Les élèves maîtres de la sixième promo, très remontés contre le ministre de l'Éducation nationale, ils déplorent les grèves répétitives des secteurs de l'éducation. Ces élèves maîtres disent avoir perdu plus de 70 heures de cours. Ils ont manifesté leur colère ce lundi devant les locaux du centre. La réaction du président de l'amicale, Did Jack Djidjak Voilà, j'arrive au micro de Maman Tedjame. À peu près deux mois de cela, les cours ne se passent pas correctement ici au centre de Dakar. Cela est dû justement à, la grève répétitive des inspecteurs formateurs qui est en train d'impacter négativement sur la qualité de notre formation, que nous voulons terminer en toute beauté et être opérationnel dès l'ouverture des classes. Et à cet effet, nous alertons l'opinion nationale l'État du Sénégal et surtout, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Baïcham, dont nous ne comprenons pas, d'une part, sa démarche qui est incohérente par rapport au message qu'il est en train de véhiculer sur la qualité des apprentissages, des enseignements-apprentissages qu'il veut qu'on inculque aux enfants. D'autre part, c'est son allusion très fréquente à l'équité, à la qualité et à la transparence, alors que nous n'avons senti aucunement, aucune volonté de sa part pour trouver une solution définitive à cette crise qui est en train de plomber notre éducation. Nous sommes aujourd'hui à un mois des examens de sortie, avec un retard de 728 heures de cours en moyenne. Et qu'est-ce qu'il veut maintenant si on termine l'année scolaire là, au mois de septembre, on fasse des examens de sortie. Alors qu'ici, jusqu'à présent, il y a des classes qui n'ont même pas fait la planification ni la fiche argumentée. Comment peux-tu enseigner sans pour autant savoir comment planifier ni comment confectionner une fiche le lycée taiba ICS de Mboro a enregistré d'excellents résultats au baccalauréat de cette année. Le taux de réussite s'élève à 79% au moment où le taux national se chiffre à 36%. Malgré ses performances, l'établissement est dans un état de délabrement très avancé. À cela s'ajoute le manque d'eau et des toilettes non fonctionnelles. Fort de ce constat, le collectif des anciens du lycée de Taïba ICS de Mboro a décidé de venir en aide à cet établissement. Ses membres tendent la main aux autorités étatiques. La correspondance de Tchandoum. Très affectés par l'état de délabrement avancé du lycée ICS Badomboro, les anciens élèves du dit établissement ont créé une structure pour venir en aide à leurs petits frères apprenants d'aujourd'hui. Beaucoup d'anciens qui faisaient un, retour euh, à la source, en passant par le lycée, euh, remarquaient vraiment des, choses qui n'étaient pas agréables à voir, à savoir l'état de délabrement très avancé euh, des salles, le problème de l'eau et beaucoup de difficultés que vivaient les élèves. Donc euh, c'est pourquoi l'idée nous est venue de, rassembler un peu tous euh, toutes ces briques qui existaient pour en faire un seul collectif. Les nouveaux bacheliers, abordant dans le même sens, ont décrié le manque d'eau de l'établissement en dépit du forage qui est à deux pas de cet institut scolaire. Je lance un appel pour l'amélioration euh, des conditions d'études au niveau du lycée, car on peut constater que l'adduction d'eau au niveau euh, du forage n'est pas à ce jour euh, effectif, que les salles sont délabrées. Les, toiles toilettes ne sont pas fonctionnelles. Ce collectif des anciens élèves du lycée en question, après avoir accompagné les candidats au bac session juillet 2018 et organisé cette journée d'information. Le collectif, pour les premiers actes qu'il a posés, ils ont, à l'approche du bac, envoyé des élèves, des étudiants qui ont sacrifié de leur temps pour accompagner leurs sœurs, leurs frères dans les révisions. Ça, c'est un geste non négligeable. Et c'était juste un premier pas par la suite, ils ont posé beaucoup d'autres actes qui montrent que vraiment ça promet et qu'on attend beaucoup de ce collectif-là et qu'on est sûr que ce collectif-là va réaliser beaucoup de choses. Cette journée de collecte d'informations contribuera essentiellement à l'orientation des nouveaux bacheliers qui éviteront d'emprunter une pente glissante dans ce terrain inconnu qu'est l'université. Le centre Talibou Dabo a remis aux récipiendaires de la formation sur la prise en charge scolaire des personnes handicapées leur attestation. Le directeur des droits humains a tenu à rappeler que le gouvernement a fait de gros efforts depuis 2012 pour venir en aide à cette couche de la population. Le directeur du centre, pour sa part, a étalé les différents mots de l'établissement afin que des solutions soient trouvées. C'était en présence de Chantal Batchi. Après une formation sur la prise en charge scolaire des personnes en situation de handicap au centre Talibou Dabo, ces enseignants viennent de recevoir leurs attestations. Une occasion pour le directeur des droits humains de revenir sur les efforts de l'État pour le respect des droits des personnes vivant avec un handicap. Parmi les missions les plus importantes que le Sénégal est en train de mener figure en bonne place la prise en compte, la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Pour ce qui concerne l'aspect éducation personnes handicapées, euh, je peux dire que beaucoup de moyens financiers et humains ont été déployés par le gouvernement et ça depuis 2012 à, 2018. Le centre Talibou Dabo, un établissement qui reçoit plus de 200 personnes par année. Cependant, il souffre de plusieurs maux, parmi lesquels les vieillissements de son parc automobile. Rareté des, des ressources humaines dans ce domaine. C'est ça, donc c'est pourquoi souvent nous ne manquons pas de faire des plaidoyers à l'endroit de nos partenaires pour qu'ils nous aident quand même à surmonter nos difficultés. Donc l'essentiel hein, tourne autour de l'acquisition près de bus neuf parce qu'on a un parc automobile vieillissant. Après cette cérémonie de remise d'attestation, ces enseignants sont maintenant aptes à servir dans ce centre qui accueille des milliers d'enfants vivant avec un handicap, ainsi pour renforcer l'éducation auprès de cette couche vulnérable de la société. L'association des personnes accidenté vivant avec un handicap a initié une journée de dons de sang en partenariat avec le centre Talibou Dabo, une manière pour elle de mettre la main à la pâte en approvisionnant le CNTS en poche de santé. Civils et militaires étaient venus participer massivement à cette journée selon l'ANPAV. L'objectif de cette journée est de faire en sorte que les Sénégalais s'habituent à donner de leur sang tous les trois mois pour éviter une pénurie. Voyons cela avec Ndeye Fatimlo. Si une personne décède suite à un manque de sang, nous sommes tous responsables, dixit le président de l'ANPAV, Association nationale des personnes accidentées vivant avec un handicap, conscient de l'importance du sang en cas d'accident, car lui-même a été victime d'accident de la route. Il a tenu à co organisé avec le centre Talibou Dabo cette journée de don de sang. Objectif, participer à renforcer le CNTS en poche de sang. L'hôpital de Cito de Gray font 16 000 interventions par an. 80% causées par des accidents de la circulation, 20% des accidents de BTT, génie civil, etc. Euh, vous partez de l'hôpital principal font 14 000 interventions par an, seulement à Dakar. 80% euh, causés par des accidents de la circulation. Et ces victimes-là perdent beaucoup de sang. Donner du sang, c'est une obligation. C'est pour cela que nous avons initié ce programme vraiment essayer d'avoir un objectif de 5000 postes. Les militaires et gendarmes n'ont pas été en reste. Ils ont répondu massivement à l'appel. Ce n'est rien un sacrifice d'après qu'on a parlé là-bas pour les handicaps qui sont ici à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle nous avons ici pour donner nos sang. Oui, c'est important, oui. bien sûr. Aujourd'hui, les Sénégalais doivent être davantage informés et éduqués pour qu'ils donnent régulièrement leur sang au moins tous les trois mois. Ah, l'idéal, c'est vraiment de créer un réflexe même consistant à donner de manière systématique de son sang pour, pour au moins vraiment euh, avoir un niveau de stock suffisant au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Et je pense que là aussi, c'est tout un effort hein, d'éducation le travail de terrain, de conscientisation des populations. Les victimes d'accidents perdent leur vie le plus souvent car elles ont perdu beaucoup de sang. Une intervention rapide, un hôpital suffisamment approvisionné en poche de sang pour échanger la donne. Militaires, directeurs d'écoles et associations, entre autres, mettent la main à la pâte pour sauver des vies. La commune de Sam-Notaire souffre d'un manque d'infrastructures sanitaires. Les populations peinent à accéder à des soins de qualité. Elles invitent les autorités à trouver une solution à ce problème. Elles l'ont fait savoir lors d'une journée de consultation gratuite suivie d'un don de sang organisé par le mouvement J'aime le Sénégal. Abdoulaye Wanyanga était sur place. L'accès aux soins sanitaires de qualité est un véritable problème dans la commune de Samnotaire. Les populations de cette localité peinent à se soigner. C'est le cas à Darussalam, un quartier dépourvu de postes de santé. C'est tout le sens de la tenue de cette journée de consultation gratuite et de don de sang, une activité organisée par le mouvement J'aime le Sénégal. À cette occasion, plusieurs personnes ont été consultées. Pensons que la santé est un secteur extrêmement important qu'il faut vraiment tout faire pour accompagner les populations. Au cours de cette consultation gratuite, plusieurs pathologies ont été découvertes chez les patients. Nous savons qu'actuellement, nous sommes dans un Sénégal secoué socialement par, un, par une prochaine de crise. La population du seul quartier de Darussalam dépasse les 1000 habitants et ce quartier ne dispose d'aucun poste de santé. Où l'appel du président du mouvement J'aime le Sénégal, il invite les autorités étatiques à prendre en charge cette question. Aux autorités politiques et médicales que Darussalam a besoin d'une structure sanitaire de base. C'est un quartier qui a plus de 1000 maisons. Un quartier dépourvu de toute infrastructure sanitaire nous jugeons nécessaire que la carte sanitaire de Guédiawaï doit intégrer Darussalam 1 et Darussalam 2. Sous-soigner, c'est la croix et la bannière dans certains quartiers de la banlieue. Cette situation est due au manque d'infrastructures sanitaires. Nous reparlons de la série d'expulsions à la cité millionnaire. La dernière victime, la famille Tiané. Ses membres sont dans le désarroi total. Ils sont aujourd'hui sans maison et indexent la famille de leur défunt vendeur du terrain et un avocat. La famille Tiané appelle les autorités étatiques à intervenir en leur faveur et ne compte pas renoncer à leur combat. On voit ça avec Mohamed Diallo. Ambiance de deuil à la cité millionnaire de Grand La famille Tiané est aujourd'hui sans habit une décision de justice est passée par là. Aujourd'hui, à notre grande surprise, nous avons eu la visite euh, des forces de l'ordre, donc ils sont venus assister euh, Maître Rasoul Johnson, s'est d'un certain palais du Donc il s'est dit le nouveau requérant de la maison. Justice soit faite. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas de moyens au moins pour sortir ou bien aller quelque part pour lui. Nous avons acheté nos maisons en bonne et du forme. Près d'une trentaine de familles du lot 50-35 de la cité millionnaire risquent de perdre leur maison. Maître Djibi qui a vendu à M. Doukouré euh, cette, maison où les gens sont en train de sortir, je leur demande solennellement de savoir que ces maisons-là, cette maître Djibidial et le cabinet Senghor qui a délivré les titres fonciers à la famille Ndoye, que ça ne les appartient pas. Qu'ils reviennent à la raison pour qu'on puisse dormir tranquillement. Parce que trop, c'est trop. Un problème complexe aux implications multiples. J'attire l'attention des autorités de ce pays de régler le plus rapidement possible cette question qui, qui, qui, qui, peut causer d'énormes problèmes au niveau de ce quartier, d'énormes problèmes au niveau de la, au niveau de la commune de Grève. Parce qu'en vérité, on ne peut pas comprendre que des gens qui, qui ont des maisons, qui ont acheté des terrains légalement, qui ont fait des constructions, qui habitent et on, bon jour, on les fait sortir de ces maisons-là. Je crois que ça, ça, c'est pas du tout normal. Réunis autour d'un collectif, ces familles de la cité millionnaire ont acquis leur terrain dans les années 70. Elles se disent plus que jamais déterminées à se battre pour ne pas perdre leur maison. Nous en venons au chapitre politique. Le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme soutient le président Macky Sall et s'engage pour sa réélection en 2019. Un appui motivé par la volonté d'accompagner un frère libéral, Serine Macky ajoute que les réalisations du chef de l'État expliquent aussi leur soutien à sa candidature. Le rappel annonce un plan d'action pour vulgariser le bilan du président Sall. L'ancien premier ministre Souleymane Ndiaye précise que leur objectif n'est pas de déstabiliser le PDS. Côte nous en dit plus. Le rappel, Rassemblement pour la pérennité du libéralisme s'engage pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour de la présidentielle de 2019. Ce mouvement, composé d'anciens responsables du PDS, juge satisfaisant le bilan du président Macky Sall. J'ai rejoint un ami euh, avec lequel il y a d'abord des relations personnelles. Mais j'ai rejoint un acteur politique aussi qui a un bilan que j'apprécie. J'apprécie sa façon de faire, j'apprécie sa façon de euh, gouverner, j'apprécie sa façon de manager le Sénégal. Et ça, je suis un homme libre et je le clame librement. L'ancien Premier ministre Souleymane Ndiaye déclare que ce choix s'explique par la volonté d'accompagner un frère libéral. Notre objectif n'est pas de déstabiliser le PDS. Ça, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les libéraux et tous ceux qui pensent euh, devoir soutenir la candidature de Macky Sall nous rejoignent pour qu'ensemble, avec Bernard Bokoyakar, avec l'APR, nous puissions assurer la réaction du président Macky Sall dès le premier tour. Pour ses anciens frères du Parti démocratique sénégalais, ce soutien vient en complément à celui de la coalition. C'est son premier cercle de soutien. Ce que nous devons faire, nous, non seulement c'est de remercier ceux-là qui avaient porté cette candidature, ceux qui avaient cru à cette candidature, au moment où rares En tout cas, nous, nous n'y croyons pas. Ceux qui ont porté cette candidature et qui nous ont donné aujourd'hui un président qui est en train de faire des choses extrêmement importantes dans ce pays. Non seulement nous devons les remercier, nous devons les encourager, nous devons les soutenir, mais nous devons leur dire également que nous, nous venons en complémentarité de ce qu'ils sont en train de faire. Un ensemble d'activités annoncées par ces mamans du rappel, dont une tournée nationale et internationale. Objectif convaincre les citoyens à accorder leur voix au président Macky Sall à la présidentielle de 2019. Parallèlement, le réseau des femmes de l'APR du village de Mbaling promet à Makissal une réélection au premier tour. Ses membres sonnent la mobilisation des femmes de tous les villages de Malikunda. Le maire de cette commune a profité de la manifestation de ces femmes pour annoncer que Malikunda est elle seule par assurer le parrainage de l'APR dans tout le département de Mour. Nous rejoignons Mamadou Diop. Un monde sans loi, c'est ce qu'a conclu le CNRA après une étude approfondie sur la gouvernance de la publicité dans les médias. L'anarchie est caractérisée par la libéralisation du secteur, mais et surtout avec l'avènement des nouveaux médias. Il n'y a pas assez de moyens pour ces médias privés et les, acteurs font recours justement à d'autres prestataires privés. Et en contrepartie, ces acteurs-là euh, fassent la publicité euh, déguisée ou bien contournée tout en ne respectant pas malheureusement la loi. Les médias ne sont pas exempts de responsabilité certes, mais ne sont pas les seuls dans cette malgouvernance. Le phénomène touche également les voiries avec l'omniprésence des panneaux publicitaires. L'avènement de l'acte 3 de la décentralisation venu instituer des communes de plein exercice serait une cause de cette complexification. Lorsqu'il y avait une centralité de la décision, à savoir la ville de il n'y avait pas autant de bruit. Parce que la réglementation était respectée, elle était normée. Avec l'avènement de l'acte 3, il y a une sorte d'anarchie, il y a un problème de visibilité, il y a un problème de sécurité, il y a un problème même d'ordre, pour tout dire, en matière de pose de panneaux publicitaires. Face au mal qui persiste, les acteurs veulent l'instauration d'un nouveau mécanisme de suivi. Cette nouvelle réglementation qui réclame doit forcément passer par la revue de la loi numéro 83-20 du 28 janvier 1983. Il y a la loi euh, portant création du, Conseil national de régulation de radiovisuel de 2006 qui prend une partie seulement de la publicité alors que nous sommes en 2018, bientôt 2019, donc il y a énormément de choses à prendre en compte. Il faut y aller euh, très urgemment. je pense que c'est très important euh, que l'on revoie cette loi, mais aussi que l'on il implique tous les acteurs. Il y a d'un côté les publicistes qui ne sont pas contents, de l'autre côté les exécutifs locaux qui ne sont pas contents, et de l'autre côté qu'il n'y a pas un respect des normes. Mhm. D'où la nécessité aujourd'hui de créer les conditions d'un cadre de concertation, de discussion et d'échange mhm. pour arriver sur des consensus forts mhm. qui respectent la réglementation et qui reposent sur des considérations euh, acceptées par tous. Les consommateurs sont cependant ceux qui en pâtissent le plus, d'où l'intérêt pour le CNRA de renforcer ses moyens de contrôle pour ne s'intéresser qu'au contenu publicitaire et invite l'État à agir pour une réorganisation du secteur. Vous l'avez compris, il s'agissait de l'élément consacré à l'anarchie euh, notée dans le secteur de la publicité. Les acteurs parlent de laisser aller et demandent qu'on revoie la loi consacrée à ce secteur. Et c'était avec Elage Moussabeya. Nous reparlons politique avec le réseau des femmes de la paire du village de Mbaling qui promet une réélection au président Macky le maire de la localité. En tout cas, le maire de la commune de Malikunda confie que la commune à elle seule peut euh, assurer le parrainage de la paire ça avec euh, Mamadou Diop. Présidentielle de 2019, ça bouge à tout vent dans les rangs de l'APR du département de Dans toutes les localités, c'est la même cadence et la même phrase prononcée. Promobilisation et animation du parti pour donner à Macky Sall un second mandat au premier tour. C'est le cas à Mbaling, village du maire de la commune de Malikunda. Dans cette contrée, le réseau des femmes de l'APR sonne la mobilisation et demande aux autres de serrer les rangs.

Maguette qui compte beaucoup sur la jeune féminine, s'engage à faire mieux que les autres responsables du parti du département. D'ailleurs, il promet à Macky Sall le nombre de voix pour le parrainage. Si on veut le département de Bourg en termes de parrainage, bien que la commune de Malikon ne pas, va assumer, le parrainage du président. Le parrainage au niveau du département de je voudrais que tous les responsables me donnent ça je peux l'assurer que la commune de on peut assurer le parrainage. Et c'est pareil dans toutes les autres toutes les 15 autres communes, chaque commune que l'on choisit dans le département de Bourg va assurer le parrainage départemental. Donc, nous, on est rassurés. Si tous les départements du Sénégal étaient comme le département de Bourg, le président de Après un an d'autofinancement, les femmes de Mbaling ont vu leur chiffre d'affaires grimper à merveille. Elles sont parties de 1 million pour atteindre 10 millions de francs CFA. Une manne financière qui leur a permis à chanter et à danser. Et cela, disent-elles, grâce à Magersen, experte la commune de Malikunda. Et nous changeons de registre à direction le sud du pays. Les autorités sénégalaises devraient faire de la Casamance un hub et une plateforme économique sous-régionale. Déclaration de l'expert international en stratégie économique Moustapha Sow. Selon lui, l'État doit réfléchir sur une stratégie et une politique de promotion de l'intégration avec la Gambie, la Guinée-Bissau pour une meilleure exploitation du potentiel de la Casamance naturelle. Il prenait part à un cadre d'échange sur la paix, sécurité, tourisme et intégration sous-régionale. Il s'exprime au micro de Cher Sadji. la région la plus importante, en tout cas point de vue stratégique et économique au Sénégal et la Casamance, c'est que sûrement vous avez récemment entendu parler du programme le plus ambitieux de l'Union africaine euh, qui s'appelle ZLEC, zone de libre-échange Continental, qui aujourd'hui euh, est né du fait que l'Afrique, les pays africains euh, sont conscients que le développement du continent devrait forcément passer par l'intégration économique. L'un des pays ou les pays peut-être les plus proches du Sénégal en cas, à point de vue stratégique et économique, qui a la Gambie, euh, même si ces deux pays euh, qui parlent à des langues différentes. En ce qui concerne le Sénégal, ne peut pas réussir sans une intégration avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Et l'intégration avec la Gambie et la Guinée-Bissau ne se fera pas sans une Casamance émergente. Nous restons à Ziguinchor. La Sénélec compte déployer un programme spécial pour fournir de l'électricité à 21 îles de la Casamance naturelle. Ce programme vient en appoint aux nombreux efforts qui ont déjà été consentis par la Société nationale d'électricité dans cette partie du pays. Le directeur général de la Sénélec confie que 400 villages ont été connectés au réseau ces quatre dernières années. Mohamedou Martar Sissé est avec nos sur place. Il y a des villages qui ne sont pas couverts et particulièrement les îles. En masse, beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement du Sénégal à travers Sénélec et Azer pour déployer l'électricité dans les localités les plus reculées. Pas moins de 400 villages ont été interconnectés, ont été connectés au réseau ces quatre dernières années. Et nous avons la particularité d'avoir un réseau mixte, un réseau qui dépend de Sénélec et un autre de l'agence euh, d'électrification rurale AZER. Sur le réseau de Sénélec, que je connais un peu mieux, énormément d'efforts ont, été faits et nous avons eu pas moins de 10 000 clients supplémentaires dans la région du Giguinchor ces cinq dernières années, ce qui est un chiffre absolument important. Et donc nous allons continuer ces efforts à travers les différents plans que nous avons. Et les îles, naturellement, sont concernées à travers le programme que nous avons avec euh, KFW qui a commencé à mettre des systèmes hybrides au niveau des îles du Saloum. Où on met à la fois des groupes de gasoil avec quelques panneaux solaires pour alterner et amortir le coût également de l'exploitation.